ravie de vous retrouver. Merci à toute la jeunesse d'Agadez pour cet accueil chaleureux. Merci à vous. mun gode da wannan tarba musamman da kuka muna kuma da duka kuka taso kuka onoran invitation kin wagga da muka muku a wannan muhawar tamu masu shuraren mu kun gane dai birnin agaras ta karbi tawagar fada la région est une région frontalière de la Libye, l'Algérie et le Mali. Cette région du nord du Niger, Agadez, est un carrefour d'échange et de la migration au Niger. Propice à tout genre de trafic, Cette position de carrefour expose les jeunes de la région d'Agadez abubuwan wasu da bai kamata ba wasu 'yan kwayoyi shiga maye da suke shigowa cikin jihar yau dai cikin fadar mu muna so mu tattauna da wa'annan matasan na agaras mu ji basa kan wannan shaye-shayen da muke ji matasa sun tsinda kansu a ciki ceux qui les entraîne dans cette consommation des stupéfiants et surtout les répercussions de ce fléau sur la jeunesse d'Agadez. À cette fada da muka dora a yau euh, maison de la culture laya birnin agaras muna tare da maryama Abdelhamine, présidente de l'ONG FNAFI, protection enfants, femmes et environnement. Ça va, présidente Oui, bonjour. Ya qui kina lahiya? Lahiya Y Ya agaras <laughs> Ça va. Nous sommes à cette fois-là également avec Wadel Boubacar Il est le président du conseil communal des jeunes. Ça va, président Oui, ça va bien. Nous avons également Aïchatou Mahaman de l'ONG, non à la délinquance juvénile et à la prostitution des jeunes filles. Aïchatou, ça va Ça va. Yaou Gormaya. Anatei. Anatei. <laughs> Jeune qui on a nom, c'est Ankali C'est Et Rabidine Ataka. Rabidine da dama wala fête na san para sa wani zai traduire merci Nous sommes avec Ousmane Bianou, influenceur dans la région d'Agadez. Ça va Ousmane Ça va très bien. On a une autre euh, sœur qui vient juste nous rejoindre. Ça va Fatma Tu vas bien Oui, ça va bien. Yanné, tu de quelle structure toi euh, Jeune fille leader d'Agadez. Ok. <laughs> Masu ran kuma an kasance wani fada muna tahe da 'yan kaɗe-kaɗen mu raye-rayenmu da rubrikin da don da yake shirya muna kowane mako kuma da kronikin da kronikin mu shushu olivier da yake shirya muna shi ma La consommation de stupéfiants, un fléau qui touche surtout les jeunes, selon les autorités communales de la région. Alors que tu les régions et les régions minières, notamment les sites orifères et miniers qui abondent dans la région. Le 2 mars 2021, ce sont 17 tonnes de résine de cannabis en provenance du Liban qui ont été saisies par l'Office central de répression du trafic euh, illicite de stupéfiants octrice kuma in Insanda, dai 'yan sanda ita dai wannan drogakin da ita a de ita libi in ji de le figaro da ta 2 mars 2021 yanzu tambaya ta ta harko matasan a gare sun muke nan tare da su wannan su kwayoyin ina ne ake hucewa da su kwarai cikin wannan jihar du president vraiment c'est drog a votre avis to bari in fara da president president ina so in san wannan kwayoyin da muke ji suna yawo a cikin garin daga ina ne ake hitowa da su jama'a salamu alaikum alaikum salam don ka euh, sunana wadil bubakar shi wanga waga drug kin deja wadda kuka yi dan yi yanta wadda aka kama ta wurin d'une valeur de 20 milliards ouais. déjà il y a des journaux wanda suka gai que ce daga Liban take ta zo Niamey aka kama ta mhm. donc je pense que a gadez yanzu problème ba ma droga ba traffic na tramol akwai banda ah. hashish kin yanzu tramol ma ne yawa kuwa a gadez c'est juste un passage okay. drug kin nan da take baro yawanci duka daga America Latin take hutowa eh, su tramol kin ga su huto wuraren Thailand kenan da wuraren Shin menna a gadez c'est juste passage ne kawai ta zo ne ta wuce ta wuce ta yi ta wuce ta wurin libi parce ta wurin libi kudin ta yana multiple parsa kenan kun ga deja eh, ah, sai mu ce agaris kenan deja hanyar ta ce in ta zo wani bi kewayewa ma take paske yawancin drokin da ba ta mashigowa cikin gari motoci ake sa su na farar sai ake waya su yi ana bi cikin dazuzzuka ana hucara su wala bi cikin dazuka to malar zama abin da ya yi yawa yanzu da harka zina da gaura ta fito eh, norkin eh, Niger Agadez mhm. wadansu sai su yi kawai neman zinara suke mai trafiki ne suke yi paske suna kawo taramal taramal ma tsada yake yi paske karton kin shi da dai na ji dai nan a gare zire na yanzu suka dale sosan 65 a 70 miliyan yake yi sinon da baya ma ya bude wuce san mil ko wata san kantumil a même c'est ne pas interdit to yanzu abin da ya yi yawa ya yi yawa ga nan da aga dai ana abuse da ita ana abuse da shi kwarai kuma zinariya ragar ta fito sai ta kama nan mutane sauran mutane wanda suke furanciyar kin kasa duka su yan Nigeria na yan Ghana nan su Gini paske yawancin drug ta pork nan take shigowa ta zo na aga da suke nan kun ga daga nan ne matasa wow mais, comment ça se fait comment ça se fait que cette drogue soit aussi facile d'accès à Taka parce que, c'est ça le problème maintenant qui, nous amène aujourd'hui euh, les jeunes ils ont accès facilement à ça parce que tout simplement il y a quelque chose euh, qui se passe à Agadez surtout la jeunesse d'Agadez qui est complètement une jeunesse euh, complètement délaissée à elle-même elle est délaissée à son sort parce que là c'est une jeunesse qui est là, donc il faut profiter de cette jeunesse. Il faut profiter de son chômage pour venir dire, bon, voilà, écoute, comme tu n'as pas de boulot, comme tu n'as rien à faire, voilà une activité que tu vas rentrer, tu vas te faire de l'argent facilement. Donc, euh, vraiment sur ça, c'est les autorités compétentes qui doivent vraiment se réveiller, parce que là, on connaît tous les grands barons de cette drogue qui ne sont pas inquiets. Ils circulent librement, aussi au vu de tout le monde. C'est normal que cette drogue soit un peu partout. Aujourd'hui, elle est vendue comme des cigarettes. Waouh Mais genre, quand on parle de drogue, on voit d'un coup quelque chose qui coûte plutôt cher. Aïcha, toi qui es dans cette ONG de lutte contre la délinquance, c'est pas si cher. Il dit qu'on vend ça comme des cigarettes, comme ça. Jamais, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Euh, la question de la consommation de stupéfiants ici à Agadez. Surtout l'accès. Wannan ah, ah, gaskiya sai in ce muku ta zama ruwan dare gama duniya kwa. Yanda za ki samu kwaya garin ga da gaugawa. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui est facile d'accès, genre le riz, le mil. La manière dont tu peux avoir accès à la drogue, ça te sera même difficile d'avoir le mil ou le riz ici à Agadez. Et c'est

Si je peux vous raconter une petite anecdote, dans mon quartier là, il y a un grand dealer de l'héroïne. Carrément. Carrément de l'héroïne. Ok, comme de dans le film, quoi. de la oh chambre indienne et le tramadol. Et en plus de ça, il a un réseau de petits voleurs. Il y En yara un shekara bakwai takwas tara Il y a un biyu sha uku suna da su. Rana ta ɓaci aka kama shi. Mais je vous jure, wanda suka kama shi, c'est les autorités traditionnelles du quartier. Mm. Matema, kama mataimakan sarki ne. Ouais, ouais. Da sun kama shi, gaban kowa da kowa ya in muka kai sai na ku Et c'est ce qui fut fait. Euh, c'est ce qui fut fait. Même pas 30 minutes, ils se sont tapés la main comme ça avec un officier de police. Et il est parti comme ça. <laughs> Yanzu haka yana nan cikin quartier Dubai, babu wanda bai san shi ba. Donc pour vous dire que la question de la consommation de stupéfiants, c'est vraiment, même si on veut solutionner cela, c'est en route de soleil. Mais maintenant, je veux bien savoir comment vous faites pour lutter. Comment vous arrivez à lutter contre ça alors que c'est... Ousmane, toi, tu es plutôt influenceur. Donc, tu travailles avec tous ces jeunes-là. Eh, bon, effectivement, nous, les amours et eh, Gogourmaya, nous, les de chefs, chefs, mu ne 'yan agades donc duk yawanci wadda ake tuguma bisa irin wa'in abubuwa yawanci mhm. zo wasu kai mm. c'est des gens qui sont venus presque chercher de l'argent ouais, ouais. tu vois donc tout ça là ça tourne autour de cet intérêt qui est de l'argent saboda duka haraka ta kuɗi ce saboda cin hanci da rashawa da abubuwa su ne suka kawo wagga kama gwagwarmar da ake wani bi ba ta tasiri mm. yo lukakin da aisha ta gai sai nake parmi tan wanda za a iya zanawa mai abin da ke eh, yo mu 'yan agarsu abin da ke ci mana tuwo a kwarya babu kama eh, yadda yo mata suka samu akse bisa wannan abin duk sai sa lipli grand danger yake kuma duka wa'inga da suke na wurin mutane ne masu gugurmaya bisa sensibilisation wanda muke neman mu jayo hankalin kannin gana mu su gane da wannan abin da suke yi abu ne wanda ya zama to ba za ka shi ko ina ba saboda yau agaris muna da misalai da dama mu da uwayenmu waɗanda suka haukace bisa waɗannan shaye-shaye kuma suna nan ba sai de previvant kenan don consensibilisation sensibilisation kin da duka waɗanda kungiyoyi suke yi da mu duka waɗanda ya zama to muna yin ta mm. muna nuna ma nan namu ga dai example palpable wanda ya kamata su yi hankali su yi hattara duk wanda yake shan wannan abu an gani ba eh, don kenan abubuwa ne wanda gwagwarmu da kai zami eh, masu shiranin mu kuna jin dai wannan hirar tamu da muke bisa kan shaye-shayen da matasan a garas duk da a ce wannan dai annobar da ko ina akwai ta amma dai isi sa semble être un gro gro gro gros chantier to yanzu cikin wannan shirin dai da dai mun ci gaba da wannan hirar amma ya kamata a ce mun leƙa shi kuma bangaren don di mu ji hallo cikin rubirkin tashi wannan gamin de waye hira artiste artiste artist et on se retrouve juste après Ladies and gentlemen, sur l'émission Tous à la Fada, sur la rubrique L'artiste s'exprime, nous allons recevoir l'artiste Phenobi! Yes, I. Yo, yo. Begese, begese, Yo. Yo hey BJ, I'm a BJ, beje harandi diga ha hey wondiya beje hey beje beje beje wondiya minno ina makano Kimi en fait là tu, tu as nécessité euh, quelque chose de tout le monde parce que je me rappelle bien évidemment tes couplets de Yarignan ça m'a renvoyé en ah. 2001 tu vas non yo bonjour Non, ça va on ne sait même pas saluer on va hein. se saluer Béré c'est ça bien? tu sais en fait quand je suis avec toi je me sens déjà en sécurité donc du coup je suis déjà enjaillé c'est toujours un grand plaisir pour moi de recevoir cette légende vivante. Fonzo. l'histoire du hip-hop made Niger pour permettre aux jeunes qui kiffent cette euh, émission d'avoir une idée de comment les choses ont commencé. On va résumer. Tout a commencé véritablement en quelle année euh, ben, comme tu as eu à le dire, euh, les premiers rappeurs ont commencé à écrire dans les années 93-94. Au Niger, on a connu un groupe qui s'appelait Massacreur Possi, dont un élément était Claude Panou, qui est actuellement dans Waswong. Euh, tu vois, c'était le premier groupe de rap, uh-huh. parce que eux, ils étaient à l'école française. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux d'être en contact de la mode. Et après le Massacre Possi, il y a eu aussi le, Todd One, uh-huh. Momo et son frère qui étaient revenus de la Belgique avec aussi euh, le rap. Mhm. Euh, mais malgré qu'ils étaient venus avec, il y avait aussi ceux qui étaient là au Niger mhm. qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer comme ça se doit. mais à force de voir les autres, euh, ben voilà, on a aussi tous osé. Mais le véritable rap rap nigérien, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le premier concert où c'était des flots locaux, des flots en Peul, des flots en Hausa, des flots en Germain. Mhm. C'était avec en euh, en stage, j'étais membre éclair du groupe Wasika. C'était le 20 décembre 1996. 20 décembre 1996 Ouais, 20 décembre 1996. L'un des premiers euh, concerts au Bled. Hein. Ouais, au Bled. Hein. Après 98, le premier album à vie du jour de la Calcana. La est par la radio-télévision Ténéré. Et ensuite, euh, Gaskia a vu le jour à euh, en quelle année euh, Bon, euh, en ce temps, déjà, Kaidan Gaskia, je crois que déjà on existait en 98. Parce que moi, j'étais en solo, plutôt était dans un groupe. on avait eu l'idée de faire un, un, réseau de groupes de rap. Bien C'est de là que Kaidan Gaskia est né avec beaucoup de rappeurs. à un moment donné, Feto et toute la clique a été partie de l'autre côté et tu as continué le combat. Ouais, j'ai continué avec le, KG2. après, il n'y a plus de KG2. Maintenant, c'est l'homme que l'on nomme phénoménal. Phénomène, phénoménal. C'est de ce cet homme qu'on va parler sur cette émission, mesdames et messieurs. Le phénix. René donc de ses cendres. Phénix, phénom. Pourquoi phénix, phénom comme tu l'as dit, le phénix René, de ses cendres. Ah, bien sûr, la voilà. Salie, devant les deux. Ah. Bien sûr, donc c'est pour ça en fait. Qu'il faut aussi être un peu fou. Alors, Félix fais-nous cette carrière solo, tu comptes continuer seul ou bien un peu, tu vas te. Euh, cette carrière, en fait, c'est une carrière solo, mais c'est beaucoup une carrière beaucoup plus mature que je veux. Okay. Euh, je suis en train d'entreprendre ici, mature euh, musicalement, mature euh, côté lyrics, et mature pour donner aussi ma façon de contribuer au développement ou bien à à la restructuration s'il le faut de la musique que nous sommes en train de faire ici pour pouvoir compétir dans l'arène de, de, la musique un peu euh, Alors, Béro, on n'a pas trop de temps, je serai obligé de te couper de temps en temps. Béro, voilà. ces changements-là, brusques, toute ma vie, moi je t'ai vu rapper et tout ça. Et là, je vois que tu rentres dans un autre monde. Ah, registre Foran, volcan, registre Rodin. Alors explique-moi un peu ce changement. C'est quoi ce genre musical que tu fais euh, euh, Le changement, en fait, tu sais, ah. moi j'ai toujours aimé rapper et puis euh, trouver des personnes qui chantent, qui font de la mélodie à côté. Tout à fait, tout à vu fait. que à chaque fois le comportement ne correspond pas au principe de l'homme, mhm. j'ai décidé aussi de d'oser chanter. Mhm. Donc j'ose chanter. Mais tu t'en sors bien, ouais, ouais, Quand tu étais avec les chanteurs tu ne hmm. t'es jamais une fois dit que. Non, non j'ai jamais pensé à ça. Hein. Non, je n'ai jamais pensé à eh, ça. je n'ai jamais pensé à ça parce que, je me dis, ouais, parce que dit non, la chanson c'est pour les autres et moi je fais du flow et je fais du marketing artistique aussi. Donc euh, la chanson c'est pour les autres, mais aujourd'hui je fais du all in one. Je chante, je rappe, je compose, je, je, je, je, je. l'instant est solennel. Yes. Le Niger te suit. Les artistes nigériens ils te suivent. la jeunesse nigérienne kiffe cette émission à travers 47 radios partenaires. Le monde entier suit cette rubrique à travers le site du studio Kalango. Un mot pour faire avancer le hip-hop made in Niger parce que tu es une référence. Ouais, le mot, moi, je me dis que c'est la culture de la positivité. C'est-à-dire, euh, parce que ce que je vois, en fait, il y a peut-être d'autres qui ne connaissent pas la concurrence, alors que cette concurrence se doit d'être franche. C'est pas parce que moi je suis là et que Z lui il arrive, je pense que Z va prendre ma place. Non. Je fais ce que j'ai à faire, Z fait ce qu'il a à faire, Dondi fait ce qu'il a à faire. C'est en ce temps qu'on peut parler de développement de quelque chose dans un pays. Ça peut marcher pour toi et marcher pour tout le monde. Et pour tout le monde. Tu n'as pas besoin, pour briller, tu n'as pas besoin de tendre d'autres. De tendre d'autres. Il y a qu'au Niger où quand il y a quelqu'un qui commence, les autres pensent que c'est un ennemi, il faut l'abattre. C'est ça qu'il faut enlever de vos esprits et se mettre au travail. il n'y a que le travail qui fait la différence. Tout à fait. On revient à la FADA avec nos jeunes de la région d'Agadeza Aujourd'hui, à la maison de la culture. Laïa, nous sommes avec des, jeunes très engagés, des jeunes leaders. Euh, le président du conseil communal de la jeunesse. Nous sommes avec euh, des jeunes qui interviennent dans des ONG, notamment sur ces questions de consommation de stupes par euh, un ou un matassa. Zo mu da wannan tare da wannan maryama ni yanzu wannan aikin da kuke ya ma kuke samun kuzarin yin shi sachant que en fait c'est un gros chantier la lutte elle est énorme et quand on vous entend parler on a l'impression que vous ramez vous ramez mais vous ramez seul vous arrivez à quelque chose au moins. Comme l'ont dit mes prédécesseurs là, mhm. vraiment ce problème de consommation de stupéfiants, vraiment ici au niveau d'Agadez, c'est un problème très sérieux. Malheureusement, comme vous l'avez dit jusqu'à aujourd'hui, la lutte, on l'a fait, mais franchement, il n'y a pas d'amélioration visible par rapport à ce problème. Et on le dit tout le temps et on le dit haut et fort. Les sensibilisations, elles sont faites, que ce soit concernant les acteurs hein, de cette consommation, que ce soit les parents et même nos autorités au plus haut niveau tous sont euh, au, courant de ce phénomène-là au niveau d'Agadez et qui touche surtout, comme vous l'avez dit, les jeunes filles. Et les jeunes filles, surtout mineures, vous voyez, de 15, 16, 18 ans. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal. Parce ah que qu'on sait que cette jeune fille-là, c'est elle la mère de demain. Qui va éduquer nos enfants si ces mères-là sont atteintes psychologiquement. Vous voyez Et comme euh, on dit euh, Wadel et puis euh, Rabidine, moi je pense qu'il faut faire euh, la différence entre ces deux points de trafiquant et de consommateur. Parce que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Il y a les trafiquants et ils le font pour s'enrichir. Mais ce pauvre consommateur-là, il le fait pourquoi C'est pas pour s'enrichir. Et ce, ce gros trafiquant-là, certes, lui, Agadez, c'est son, lieu de transit. Il passe juste pour aller vers les autres pays où il va vendre euh, sa marchandise. Mais d'où nous vient ces, petites drogues-là, ces, petits produits-là qui sont vraiment à la portée de n'importe quel, jeune. qui font autant de dégâts, C'est ça, voilà. Nous, on se dit que euh, c'est pas euh, ces, gros trafiquants-là qui amènent cette drogue-là que nos jeunes consomment. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ma vision. Parce que ces gros trafiquants-là, ils ne peuvent pas mettre une drogue à la portée d'un petit jeune qui va l'acheter à 10 000 ou 15 000. Ce n'est pas possible. yana so in san ku structure qui da kuke qui kuke aiki cikin wannan halin da matasa suke shiga est zo wajen ki jeune fille euh, leader ina so in san sai jeune fille la akwai structure qui est... ke kama est kuna nemo su kuna on va dire, de la réinsertion. On les accompagne dans ce sens Ou même une assistance médicale, si on peut le dire Tout récemment, je suis entrée en coopération avec euh, la coopération évangélique. Et ils sont en train de construire un centre de désintoxication au niveau de la ville de Chiro. D'accord. Donc. Euh, ouais, on a eu vent de ça, oui. <laughs> Et parallèlement, comme sincèrement, moi, j'ai pas fait de grandes activités comme ça pour que je sois de visu comme ça, pour que tout le monde sache qu'il y a vraiment une structure qui s'occupe de ça. Mais quand même, je, je suis avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire les gendarmes, la police, la justice et autres autorités compétentes, en tout cas, qui peuvent appuyer positivement à un changement. Avec la coopération évangélique, ils m'ont dit que quand ils vont finir de créer le centre, déjà, il y a des médecins qui sont envoyés en France pour pour être euh, formé pour être formé assistance, okay. en assistance voilà donc ces filles là vont être euh, récupérées désintoxiquées ensuite réinsérées dans des AGR que elles-mêmes auront à choisir ok kenan a ce ana bisa kan hanya ana bisa kan hanya dan da gaskiya coopération évangélique tana yi wa yinta On rentre dans les maisons des filles de joie dans divers quartiers ici à Agadez. Et qu'est-ce ça va ça va. Il y a quelques filles qui ont été récupérées, mais d'autres, c'est comme si c'est des filles endoctrinées, quoi. ba ki iya ki waye musu hankali bisa kan wanga kwayoyin da suke sha za su bata musu rayuwa ba su gani suke daga suna da wani problem ko wani abu ya dame su in suka sha wannan abu sai satas kuwa problem kin sai ya ɓace président, euh, eh, je voudrais intervenir par rapport à votre question là. Ah, ah d'accord. Voilà. Euh, oui. Donc, par rapport à, vous avez parlé de désintoxication. Il y a au niveau du district d'Agadez, il y a, euh, c'est pas centre, mais quand même, ils font la désintoxication pour les volontaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre les jeunes, mais si dans une famille, il y a un jeune et qu'il accepte, que c'est il accepte que ses parents l'amènent, voilà, il voilà, hmm. voilà, il l'amène, là, il est désintoxiqué et il y a eu beaucoup de cas qui sont allés là-bas, qui se sont fait traiter et il y en a même qui se sont euh, en sortis vraiment. Oui, ouais, ça a marché. au niveau d'Agadez, ici, l'ancien hôpital, comme on l'appelle. Voilà, c'est là-bas. Voilà. Voilà, ils un traitement voilà, de Ils hospitalisent même. Mais seulement tu es hospitalisé seul. Tu, tu, reçois la visite seulement de, de, tes parents ou des membres de la famille. Voilà. Et une fois que ça va, là, on te relâche c'est qu'on a un problème d'éducation éducation qu'un un peu euh, les responsabilités là parce que là on parle de jeunes enfants on parle de 10 ans 11 ans 12 ans quand même c'est des jeunes qui sont censés euh, être là sous la protection des familles des mamans des papas qu'est-ce qui se passe à ce niveau euh, moi je pense qu'ici à Agadez mm-hmm. et nous avons une bonne éducation c'est ce que Biano a dit la plupart des jeunes qui consomment la drogue ce ne sont pas des jeunes d'Agadez à 80% à euh, nous sommes bien éduqués, madame. Nous sommes bien éduqués. Si possible, eh, vous devrez même jeter un coup d'œil au niveau de, de la prison civile. Vous allez voir tous les jeunes qui ont, qui ont été eh, arrêtés au nom qui eh, prenaient de bah, la drogue, ne sont pas bah, à 80%. Ça fait même pas une semaine, il y a un échange à capsules hmm. et un juge qui nous disait ça. À 80%, ce pas des jeunes d'Agadez. Agadez, la jeunesse, elle est bien éduquée. Peut-être les, 20 ou 10%, c'est ici d'une famille peut-être qui, avec l'avènement de, leur page, là, il y a eu beaucoup de gens qui, nous ont envoyés, qui sont venus du Nigeria, du Ghana, du Cameroun. Et la plupart de ces sont ces jeunes qui se sont mis dans, cette consommation de drogue. Il faut chercher des informations par rapport à ça. Mais ouais, voilà, mais j'ai l'impression quand même que les jeunes filles, c'est plutôt une autre affaire. Hein. Je reviens vers toi, euh, attaquant, mais j'ai l'impression que euh, Fatima, les jeunes filles, c'est c'est plutôt inquiétant, hein, ce qu'on entend. C'est vraiment très inquiétant, je veux uh-huh. dire. C'est très inquiétant, surtout pour les jeunes filles. Ouais. Et je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, euh, je suis tutrice d'une fille de ma famille que je gardais avec moi depuis l'âge de ses 8 ans. Elle, elle étudiait chez moi. Et après, je commençais à constater des comportements bizarres avec elle. Et quand j'ai mené mon enquête, j'ai appris que même à l'école, elle est avec des filles qui chôment le cours et ils vont dans des fadas de chicha. Donc c'est dans les fadas de chicha qu'ils profitent pour prendre euh, leurs stupéfiants et drogues et autres. D'accord. Donc, après avoir acquis ces informations, je me suis adressée à elle. Voilà, na fara comportement qui yake ban san su da donc dans na yi enquête ina na ga elle sort avec filles wanda yake su dama ka su shisha ne ana dai zuwa école dan dai a ce an zo ne eh après kuma a fita après comment a fita donc na je wurin école, in su avec les surveillants moi je comprends pas je garde ma fille à la maison je lui empêche de sortir pour ne pas fréquenter des mauvaises personnes hmm. ou bien des les mauvaises fréquentations. ne pas qu'elle ait une mauvaise fréquentation. Maintenant, elle vient à l'école et puis j'apprends qu'elle chambre de cours et vous m'informez pas. Comment pas sous informer ou à Yaran Kabaizo, l'école va bah, un truc comme ça. Donc, ils ont fait une réunion là-bas à l'école et ils ont décidé de ne pas laisser les, les élèves sortir. Donc, après le cours, si c'est vos parents qui vont venir vous chercher, si c'est vous qui, allons qui, qui vont partir,

Safa ga mun sunanka. Oh, sunana Ilyas. Ilyas. Yes. To, Ilyas ina son in sani. Ya ne wannan harkar shisha take? Wannan laihi ne kuke <laughs> <laughs> ke tare da wannan wannan eh, harkokin shisha? Babu wani laifi yanzu wanda ke tare babu wani laifi yanzu wanda ke tare da harkar shisha ga yanzu cikin eh. lokacin da muke kuma ke ni yanzu aiki ne club shisha an domin ma ina shisha ga abokina ne shi ma yana shisha jami'an ni ban taɓa gani cikin rayuwata kamar yanzu kulab shisha kamar a zo a sa wani eh, wuski ƙasa ko kuma a za eh, ƙwaya sama a sha shisha ta andumina har yanzu ban gani wanda aka kanakin bai wani mutum ya zo ya kashe kuɗin shi ya buɗe wurin da za a komar shi na kulab shisha kuma ya zo wurin nan kuma yana cuta ma matasa yana cuta mutane kuma iko suna zuwa su da kansu akwai polisai suna zuwa da yawa hmm. akwai gendarme suna zuwa guard suna zuwa duka wani ne zai zuwa kashe kuɗin shi buɗe kulab na shisha kuma guard suna zuwa gendarme suna zuwa iko dewa suna zawa kuma a zaka eh ana sa whisky ana aza kwaya ai sun san gugin da sun san komi kuma abu ne wanda ke ka bai ne kawai ana so dai kamar eh, a bata mutane sunansu ne a bata masu kasuwancin su a musu problem yanzu ku club ne gare ku ko yo kuma ai adashi da ake sha kamar cikin fada cikin unguwanni har cikin gidaje wannan kun ba ku da masaniya akan ta ko wannan kuma mutane har kwaya suke zuwa su cikin gidajen su kusa da sashen kansu akwai matsala dai shakata cikin wannan shirin kun ji dai sujan namu na yau duk da ba na daɗin rai bane ba na walwala bane amma da yake fada ana tahe da tana tahe da kaɗe kaɗanta Amna fada on se reprend juste après. Ferme tes yeux de soprano Baba et blaco Sniper, psicado. yeux imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont trahis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant deux mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mis sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui tue coupable. Imagine-toi en fermé comme Natacha Campouche ou brûlé comme Mama doux dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'exister la vie, réfléchis dorénavant. Imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine... Retour à la Fada, aujourd'hui on parle de consommation stup, ici même à Gadez. Matasan agras shashan da suke na wannan kayan maye da yan kwayoyi da suke yawo a cikin wannan garin Hiroshima kenan gai tare da matasan wannan wanda muka gayyato anan Maison de la Culture Laya da Gadez Hiroshima muke nan gayi yau. To mun dai ji wannan annobar an take ci musu a ƙwarya. Wannan matasan suna bakin ƙoƙarinsu suna ta yaki,

Ça va. Super, moi aussi ça va bien, Dieu merci. Ravi, ce soir on va parler de la compétitivité. Bonsoir Agadez, bonsoir Lahir, bonsoir à vous amis auditeurs et auditrices de la FADA. Euh, vous savez, à force de privilégier l'eau social et l'humilité, nous avons perdu une des choses qui peut nous pousser au développement. Et cette chose c'est quoi C'est la compétitivité. Ce mot qui renvoie à euh, à un autre mot qui est la compétition. Chers amis de la FADA, ce soir-ci, je vous, selon vous aujourd'hui, quelle est la région la plus équipée du Niger Oui, Ousmane Niamey. Voilà, Niamey, sans doute, tout simplement parce que Niamey est la capitale. Si moi je regarde de près, Niamey est la capitale et Niamey est la plus équipée, bourrée d'hôtels, bourrée d'échangeurs, bourrée de ponts, bourrée de tout ce que vous voulez. Mais si je vous repose la question, quelle est la région que vous souhaiteriez voir le plus développée au Niger Qu'allez-vous me répondre Est-ce qu'il y a des contradictions ah c'est tout simplement parce que c'est notre région et nous l'aimons, nous souhaitons la voir plus grande et plus radieuse. D'ailleurs, je vous donne la parole et en toute honnêteté, dites-moi ce que vous enviez le plus à Niamey. Et ça, j'ai envie d'avoir hein. les infrastructures routières. Voilà. <laughs> le viser Oui, parce que Agadez, c'est ce qui manque les grandes routes, les échangeurs, au moins une grande voie, double voie bien eh, goudronnée nous suffit largement. Ce que nous avons à Niamey là, c'est que moi c'est pas ces échangeurs là ou bien ces, ces immeubles là. Oui. C'est que, que je vois à Niamey, j'aimerais que ça se passe ici à Agadez. Dites-nous, Baba écoute la chronique façon de vivre. Parce que tout simplement, eux là-bas, oui. ils ont quelque chose qu'on appelle le fleuve. Et nous ici, on a quelque chose qu'on appelle le désert. Ah voilà, il faut qu'on se complète. Mais souvent, mhm. mais souvent, c'est Agadez, la région du, désert, mhm. qui ravitaille la région du fleuve en tout ah, ah, hein. ce qui est le guide et fruits. Alors c'est sûr, c'est vraiment c'est sur ce sentiment positif du que qu'on va se dire au revoir. Mais vous savez, la rubrique c'est deux parties. Dans la deuxième partie, demain, euh, vous aurez la surprise. Amis auditeurs et auditrices, c'est bien sûr ce sentiment positif que, que vous dégagez. C'est cela qui mène. Eh bien, ce sentiment positif, eh bien, ce sentiment d'envie positive que vous dégagez, c'est cela qui mène à la compétitivité. Une compétitivité qui amène les uns à faire plus que les autres. Une compétitivité qui fait grandir le Niger. Et c'est de cette compétitivité que nous allons parler dans la chronique de demain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et surtout, paix, lumière, amour sur vous. Merci voilà. Olivier, bye bien vu. Les jeunes d'Agadez, ils en veulent, hein Ils veulent le fleuve, hein Là, on va bien manger. Ils ont le fleuve. Merci, On va manger poisson. <laughs> tu vois, non ben voilà, c'est euh, la fin de tout ça, la fada. Mais yo, euh, il a Mariama, euh, qui ONG euh, et Finnafi, protection de l'enfant, de la femme et de l'environnement. ina so in san magana ki ta karshe da zaki zuwa ki liƙe mana wannan muhawara tamu ko da yake abun ba ƙarya ba zai in abun a bar mu ne har mu kai mu anan ga amma ina so in san magana ki ta karshe Maryama et on se dit au revoir officiellement sur tout ça la fada merci. Donc, ni magana tata c'est vraiment un cri de cœur par rapport à ce fléau de consommation de stupéfiants. Nous n'allons pas arrêter de faire ce cri de cœur. Hmm? Que ce soit au niveau des autorités et toutes les parties prenantes qui peuvent avoir un œil regardant sur ce problème-là. Parce que c'est vraiment très sérieux, comme vous l'avez entendu dire, hein, parce que ce sont nos jeunes filles nos mères de demain qui sont beaucoup plus touchées par ce phénomène. Donc nous voulons, même si y euh, remédier, ce n'est pas, pour aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui ni demain, mais quand même qu'on sente qu'il y a une amélioration par rapport à cette consommation de stupéfiants. Créer les conditions pour que les jeunes et les jeunes filles vraiment eh, essayent ou bien soient convaincus que euh, cette consommation-là, en fait, c'est porteur de défis négatifs. rien de positif. Voilà. Ben voilà. On a kira